Y a-t-il des différences dans la façon dont les femmes candidates et les hommes candidats dépensent leurs fonds de campagne Est-ce qu'il y a une différence Non, je ne vois pas de différence vraiment. La seule différence se situe au niveau du pouvoir de financement. Généralement, les femmes ne sont pas bien friquées, elles n'ont pas beaucoup d'argent pour financer leur campagne comme les hommes. Mais les règles des campagnes exigent la même chose chez la femme, tout comme chez l'homme. Mhm. Il faut dépenser de l'argent, il faut mobiliser des véhicules, il faut aller de quartier en quartier. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de modèle de campagne pour un homme mhm. et un autre modèle pour une femme. Donc c'est la même chose. Le hein. seul problème, c'est les mhm. finances. Et si une femme est bien financée, si elle a les moyens de financer sa campagne, moi je pense qu'elle ferait la même chose que l'homme. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une différence entre la campagne d'une femme et celle d'un homme. Je dirais plutôt que la différence se situe au niveau du pouvoir qu'elle peut détenir. Donc, si vous détenez justement le même fonds de campagne, vous réagirez de la même façon qu'un homme Sinon plus, hein D'accord, d'accord. Madame Ramatou quand est-ce que vous avez été candidate Y a-t-il des différences dans la façon dont les femmes candidates et les hommes dépensent aussi leurs fonds Moi, je pense que être candidat, c'est être à la recherche de quelque chose. Donc, voir la différence entre la candidate et le candidat homme, vraiment, moi, je ne vois pas la différence. Mm-hmm. La seule différence est que, naturellement, les hommes ont plus de moyens que les femmes et ils dépensent plus. Maintenant, la femme, elle aussi, elle a sa stratégie. Parce que le porte-à-porte, l'accès dans les maisons et être vraiment accepté, c'est la femme. Un homme, surtout dans, dans, notre pays, ne va pas aller à la porte de quelqu'un pour dire salam alaikum. Donc, ce rôle-là, c'est la femme qui le joue. Et si différence il y a, peut-être c'est cette approche-là qui est différente. Sinon, un candidat et une candidate, ils ont la même vision, ils ont le même objectif, ils regardent dans la même direction. Donc, je ne vois pas la différence qu'il peut y avoir. Une dernière question pour vous, Madame Contier. Quel est le rôle des institutions nationales dans le financement des femmes dans la politique Bon, les institutions nationales et internationales, moi, je vais ajouter, ce que c'est le fondement juridique. Par exemple, vous voyez, la loi sur le quota en 2000, c'est une loi de discrimination positive. Et de là, les femmes ont commencé à dire que voilà quelque chose vraiment qui est bénéfique. Parce que, et si je dois faire une, une petite parenthèse, on était, en tant que conseil, on était on est parti en voyage au, Bénin. Mais nous avons été applaudis là-bas parce que ils, ont dans les, ils avaient dans les 110 communes, nous dans les 266. Et il n'y a pas une seule commune qui n'a pas une présence féminine, même si c'est une concert. Et ils ont dit que chez eux, la plupart des communes, il n'y a pas de femmes. Donc vous voyez, le gouvernement joue un rôle. Et surtout les institutions internationales. Vous avez la CEDEF, ça nous a beaucoup aidé. Mhm. Vous avez la conférence de Beijing, Beijing plus 5, Beijing plus 10, etc. Et récemment, si nous devons regarder aussi au sein de l'IOMOA, mais progressivement, plutôt que de parler de la loi sur le quota, sur les huit pays de l'IOMOA, nous avons au moins trois qui ont la parité. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Qui nous dira que demain ou après-demain, il n'y aura pas d'autres pays qui ont la parité mhm. Et cette parité-là, même si on la, on l'applique pas très bien, c'est quand même une base juridique. Et au fil du temps, je pense que ça pourra beaucoup aider les femmes. C'est ça que j'ai vu en tant que rôle de gouvernant et en tant que rôle sur le plan international.